Monsieur le Président, j'ai appris avec une grande consternation l'attaque terroriste abjecte, barbare et inhumaine perpétrée contre d'innocentes personnes le vendredi 22 mars 2024 au Crocus City Hall à Krasnogorsk. En cette circonstance particulièrement douloureuse et pénible, je voudrais, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, du gouvernement du peuple nigérien et à mon nom, Exprimez à votre Excellence, au gouvernement, au peuple russe et aux familles endeuillées mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion, tout en condamnant fermement cette attaque odieuse qui mérite une réponse appropriée. Je reste convaincu qu'elle ne fera que renforcer l'unité du grand peuple russe et la détermination de son gouvernement à lutter contre le terrorisme et toute autre forme de violence injuste contre nos populations et nos États. Je voudrais aussi vous assurer de ma constante disponibilité à tout mettre en œuvre de concert avec votre Excellence en vue du renforcement continu de nos excellentes relations, notamment dans les domaines stratégiques de lutte contre le terrorisme, de la défense et de la sécurité, afin de garantir à nos populations respectives la paix et la sécurité, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé le général de brigade Abdraman Tchani.